Aujourd'hui, les braves femmes du Fouta, c'est-à-dire du Sénégal des profondeurs, sont venues de Ngerba à Djaba pour répondre à l'appel de leur ministre de tutelle, Madame Ney Sali une dame forte dont le courage et la sincérité n'est plus à démontrer. Madame le ministre, ces braves dames, dignes consciente et engagée, vous remercie très sincèrement et de tout cœur et s'engage avec vous à Podor pour bâtir un Sénégal émergent avec vous à côté du président son Excellence M. Matissal. Nous vous demandons, Madame le ministre, de soutenir les femmes, de les accompagner, de les accorder surtout

mi ngi xëy si bàq yi ñu ngi si toolu ceeb yi ñu ngi si sardin yi te dinaa la wax nag ñoo ngi yaakaar yàlla yaakaar ci yow parce que jigéenu département Podor banque yi rek lu ñu xam crédit mutuel ay Siemens ay Pamicas ñun ci yooyu lu ñu tàmm di jëlee financement guleen nan ñu gis ku jógee foofu ñëw ni man dama ñëw jàppale si jigéenu département Podor madame la ministre il Il y a des difficultés d'accès au financement il y a l'absence de riserie, absence de centrale d'achat absence d'unité de production de transformation et de conservation des produits agricoles laitiers halieutiques et céréalières il y a l'insuffisance du matériel agricole pour les organisations de femmes le petit matériel comme des brouettes grillages pelles et fourchettes il y a l'insuffisance des fermes maraîchères. Il y a la difficulté d'ordre administratif et financier de fonctionnement des unités de transformation existantes. Il y a un faible accès des femmes aux fonciers. Il y a l'absence d'industrie alimentaire. Il y a l'insuffisance des moyens logistiques mis à la disposition du service technique chargé de l'encadrement des femmes. Fi aussi il faut ma taxaw ñun xam nañu train ba ba de locomotion les femmes en milieu rural surtout celles du département de Podor sont des femmes très braves des femmes travailleurs elles travailleuses elles ont juste besoin madame le ministre de votre soutien de votre aide pour pouvoir atteindre leurs objectifs je ne serai pas longue parce que l'honorable euh, député Aram Lee vous a parlé de tous les problèmes auxquels sont confrontées les femmes du département. Madame, Madame Adama Gaye aussi vous a, vous a parlé de tous les problèmes auxquels sont confrontées les femmes du département de Podor. Donc, je n'ai pas besoin d'être longue. Je vous disais, dirai seulement, Madame le ministre, que les femmes du département de Pandore fondent beaucoup d'espoir sur vous. Et moi, en tant que député, je voudrais, leur annoncer ici que j'ai 10 moulins à 1000 que j'ai amenés et que je vais distribuer dans le département de Podor pour les soutenir. Aujourd'hui, ma part dans ce chantier s'articule autour de trois composantes. Tout d'abord, je mets à la disposition des organisations féminines du département un lot d'équipements de production et d'allègement des travaux comprenant des kits cuisine, des nattes grands modèles, des machines broderies, des congélateurs, des kits avicoles, des déplumeuses et des moulins à mille. La deuxième composante est une contribution au développement du capital humain et de l'inclusion sociale à travers le programme d'émergence de familles productives et d'insertion des jeunes. Ainsi, dans le cadre de l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment dans le domaine de l'éducation, les CEM des communes de Nyayen Pendaou et de Nyandan reçoivent un lot d'équipements scolaires ...composé de 112 tables bancs, 4 bureaux et de 4 chaises pour professeurs. La troisième porte sur le financement des projets des femmes et des jeunes filles avec un montant de 100 millions de francs CFA pour un commune régional de 280 millions de francs CFA. Dans cette somme de 100 millions destinée à votre département, chaque commune dispose d'une dotation dont l'utilisation devra faire l'objet d'une concertation pour l'identification des meilleurs projets à financer en vue d'en faire des entreprises durables qui ouvrent une perspective d'autonomisation économique irréversible.